le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, Bonsoir à tous fidèles auditeurs du forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème d'aujourd'hui est les activités génératrices de revenus des personnes handicapées au Niger, importance, difficultés et perspectives. Quelles sont les différentes formes d'activités génératrices de revenus qu'exercent les personnes handicapées au Niger pourquoi exercent-elles ces activités Quelles sont les principales difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent relativement aux activités génératrices de revenus Quelles sont les mesures à envisager pour faciliter l'écoulement de leurs produits respectifs Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses avec nos invités ce soir. Amadou Adamou Garba, directeur régional de la population avec nous. Euh, Seydou Maman, vice-président de l'Association des artisans handicapés pour la promotion de l'artisanat et la formation professionnelle. Et avec nous également Farka Soumeila, personne ressource et il est aussi troisième vice-président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à la présentation à Alassane Kouzi Mohamedou. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les activités génératrices de revenus des personnes handicapées au Niger Importance, difficultés et perspectives, c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Le Niger est un pays où la mendicité gangrène les centres urbains. Cette mendicité est pratiquée en grande partie par des personnes vulnérables comme des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Des mesures d'interdiction de la mendicité sont souvent annoncées, mais la réussite de leur mise en œuvre reste mitigée. De l'autre côté, il y a euh, certaines personnes handicapées qui ont bénéficié des formations et qui ont choisi cette alternative alternative de travailler à leur propre compte au lieu d'aller tendre la main. Ce soir, c'est de ces personnes que nous allons parler pour voir comment elles exercent leur activité et quelles sont les difficultés. Je commence tout de suite avec euh, le président de l'Association des artisans handicapés pour la promotion de l'artisanat et la formation professionnelle, en l'occurrence euh, Seydou Maman. Euh, pour nous présenter brièvement l'association en question, ses principales missions. Moi, c'est Saïd Maman, je suis vice-président de l'association des artisans pour la promotion des personnes handicapées du Niger. Mm. L'association est en train de lutter, première chose, contre euh, la mendicité, mettre les handicapés dans des ateliers pour euh, apprendre des métiers de l'artisanat. L'association aussi est en train de lutter voir comment ce que toutes les personnes handicapées du Niger peuvent bénéficier de soutien au niveau des autorités communales et régionales pour qu'elles puissent euh, faire leurs activités génératrices et revenus. Hmm. Rappelez-nous quelles sont les différentes formes d'activités génératrices de revenus qu'exercent les personnes handicapées de façon générale, si nous, prenons l'exemple de, la ville de Niamey. Au niveau de la ville de Niamey, si on prend au niveau des handicapés locomoteurs, mm. ils font la fabrication des matériels sportifs. Notamment euh, des ballons Des ballons, des chaises, et des ballons, des gants de boxe, des filets, toutes sortes de filets. Les ballons de foot, ballon de hand, ballon de volet. De bonne qualité De bonne qualité. En cure. Au niveau des aveugles, ils font des grillages. Des aveugles hein, qui font des grillages Des grillages. Mhm. Ils font des serpillères, ils font la fabrication des produits cosmétiques. Mhm. Au, au, niveau des eh, femmes handicapées locomotrices aussi, ils font la couture, ils font la fabrication des matériels cosmétiques ils font la fabrication des sacs avec des fils nylon qu'on fait, qu'on fait le tissage des chaises là. Hmm. Et on voit aussi beaucoup de chaises dans la ville de Niamey, en tout cas un peu partout, il y a des ateliers de, fabrication de chaises, des, de lits hmm. Bien. Et alors, en grosso modo, pourquoi ces personnes s'intéressent à, ces activités Bon, ces personnes s'intéressent euh, intéressent à ces activités puisque ils ne veulent pas aller faire, euh, il ne va pas aller mendier. C'est pour cela. Dès que tu es un handicapé, il faut vraiment, si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, il faut avoir la chance d'aller ou prendre un métier. Nous venons à vous, Monsieur Farka Soumaïla. Euh, je le disais, troisième vice-président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées et vous êtes une personne ressource parce que vous maîtrisez ces domaines parfaitement pour avoir été cadre du ministère de la Population et pour être toujours actif, membre des différentes associations de personnes euh, handicapées. Pour vous, quelle est l'importance des activités génératrices de revenus exercées par des personnes handicapées Bien, merci Monsieur Alassane. Dans la vie de tout être humain, qu'il s'agisse des personnes handicapées ou des personnes dites valides, l'élément fondamental, c'est d'être autonome. Autonome financièrement, c'est pour ça que chacun de nous apprend un métier. Et nous savons tous que l'exercice d'un métier confère d'abord une dimension pécuniaire, le salaire. Donc les personnes handicapées qui euh, adoptent la politique euh, d'activité génératrice de revenus, donc d'activités qui rapportent de l'argent, c'est pour ne pas devoir tendre la main pour subvenir à leurs besoins. Euh, je dois rappeler que au Niger, on a 715 397 euh, personnes handicapées, sur lesquelles on n'a que 8 242 qui ont fait l'école, soit un taux de 3 ça veut dire que les 97% sont obligés soit d'apprendre des métiers, soit de vivre de mendicité, donc d'être dépendant. Donc, apprendre un métier quelconque qui rapporte de l'argent, ça permet à la personne handicapée de mieux supporter son handicap, d'être utile à elle-même et d'être utile à la communauté d'une manière générale. Mm. Toute personne handicapée qui est formée, qui gagne un revenu, mais ça fait une bonne image pour la société. Amadou Adamou Garba, directeur régional de la population. Au niveau de la direction régionale de la population, quel est le regard qui est posé sur ces activités génératrices de revenus euh, exercées par, les personnes handicapées et quel est l'accompagnement qui est, fait au niveau de, la direction régionale Comme vous l'avez dit, euh, la direction régionale de la population, euh, qui est un des membres du ministère, en charge des questions de, des personnes handicapées. Mm. Donc nous avons la tutelle des personnes handicapées. Et dans ce sens, euh, la direction régionale a euh, euh, initié des actions dans le cadre de la promotion des personnes handicapées. Et qui dit promotion des personnes handicapées parle de l'autonomisation, comme vient de le dire Faka. Euh, on ne peut pas parler de, promotion des personnes handicapées sans pour autant aborder l'aspect autonomisation. Et euh, l'autonomisation fait partie intégrante, en tout cas, des attributions de, la direction régionale, qui a surtout un rôle euh, d'encadrement, d'appui conseil aux personnes handicapées, aux structures des personnes handicapées. Mmh. Bien. Je reviens euh, à, vous, M. Seydou Maman, vice-président de l'Association des artisans handicapés pour la promotion de l'artisanat et la formation professionnelle. Voilà, pour exercer un métier, il faut d'abord apprendre ces métiers. Alors, comment se fait la formation des personnes handicapées euh, aux différentes activités que nous voyons, en tout cas euh, ces dernières exercer? Euh, est-ce que euh, il y a des centres de formation qui les accueillent gratuitement Est-ce que ces gens sont repérés par vous, par votre association Avant, c'est la Caritas Niger qui a formé les handicapés locomoteurs. Avant, ça fait des années. Voilà, c'est la Caritas qui a formé les handicapés locomoteurs en fabrication des matériels sportifs et, euh, confectionnement des chaises. Caritas, c'est une ONG. Hein. C'est une ONG mm. qui a formé les handicapés locomoteurs. Dans différents métiers. Dans les différents métiers. Mhm. Donc, euh, après la formation de la Caritas, la Caritas avait fait des ateliers pour les handicapés formés qui ont eu leur diplôme. Et mhm. Eux aussi, les handicapés qui ont eu leur diplôme, qui ont des ateliers, eux aussi, ils sont en train de prendre des handicapés pour les former. Gratuitement C'est gratuitement. Mhm. Puisque moi, depuis en 2005, je suis en train de former les handicapés locomoteurs gratuitement. Donc vous, vous formez des volontaires, hein, des gens qui viennent volontairement. Et qui viennent, hum. voilà. Je les, je, fais, je les forme en fabrication des matériels sportifs, euh, fabrication des sacs et chaussures. Hum. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui une personne handicapée, peut-être qui est dans, qui est actuellement dans la mendicité et qui décide d'abandonner cette mendicité pour s'adonner à une activité, en tapant à votre porte, je suis prêt. Vous, le prenez pour, pour lui apprendre euh, un métier. Oui, Je suis prêt de lui apprendre un métier. Bien. Monsieur Farka Soumaïla, euh, notre personne ressource du jour. Alors, par rapport à cet aspect de la formation, quelle est l'analyse que vous faites de cette formation et son évolution à travers le temps D'abord, c'était Caritas, ensuite des, bonnes volontés continuer à le faire. Comment vous analysez l'évolution de, cet aspect Bien, euh, d'une manière générale, euh, la prise en charge des personnes handicapées doit reposer sur euh, certains aspects. Lorsqu'on prend une personne handicapée, dans sa prise en charge, il y a un volet qu'on appelle adaptation-réadaptation. Mhm. C'est lui donner des outils de travail, mhm. des outils d'apprentissage. Et en raison du handicap, du degré de handicap, et en concertation avec la personne intéressée, on essaie d'identifier les activités dans lesquelles la personne voudrait évoluer. Mhm. Parce que si c'est la structure qui décide de l'apprentissage, le résultat n'est pas évident, il n'est pas probant. Il faudrait que ça intéresse la personne elle-même. Premier aspect. Deuxième aspect, comme toute activité économique, il faudrait s'assurer de l'existence d'un marché, c'est-à-dire une clientèle. Tout à l'heure, vous avez dit que Niamey, euh, au niveau de toutes les artères, on voit des chaises ou des fauteuils tressés. Mais il y en a qui font 3-4 mois sans être vendus. Par rapport à la formation, il faudra nécessairement faire pour chacun ce qu'on appelle un projet individuel de réadaptation, si possible. Deuxièmement, il a parlé de Caritas. Tout le monde connaît Caritas qui est devenu aujourd'hui Caritas Development par rapport aux personnes handicapées. Mais lorsque le mouvement associatif a pris pied, chaque association de personnes handicapées s'est chargée de la formation professionnelle de ses membres. Au niveau des aveugles, depuis 1989, ça fait 30 ans, ils ont un centre de formation professionnelle à Colo de 5 hectares où des activités artisanales de maraîchage et même agraires sont exécutées. Au niveau des malentendants et sourds, leur association essaye en tout cas que ce soit dans l'exploitation de l'huile d'arachide et autre chose. Mais, car il y a un mais, la situation ne semble pas évoluer au niveau de, de l'impact, les résultats. C'est comme si les gens sont toujours au même niveau. Et bah, qu'est-ce qui expliquerait cela, à votre avis Je crois que la première raison, c'est un problème d'écoulement des produits fabriqués. Deuxièmement, la concurrence est rude par rapport à ce qui est exécuté. Et M. Amadou Adamo Garba, directeur régional de la population, quel est euh, le rôle de, en tout cas de la direction régionale pour cette qui concerne cette question de la formation Parce qu'avant d'exercer un métier, il faut apprendre. Et est-ce qu'au niveau de la direction régionale, est-ce qu'il y a un volet qui s'occupe exclusivement de cette formation Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un volet, en tout cas par rapport au financement même de l'État. Mais euh, quand même, la direction est, en train de faire vraiment le plaidoyer auprès de certaines structures pour euh, cet aspect de formation. Mmh. Et en plus des ONG qui interviennent dans ce domaine, nous avons aussi les structures que l'État a créées au niveau euh, des cinq communes. Mmh. Euh, de Niamey des, écoles de formation qui peuvent en tout cas accueillir des personnes handicapées mm. pour en tout cas euh, se perfectionner ou bien faire, avoir même des formations de base. Je pense que c'est vraiment une opportunité qu'on doit saisir. Et notre direction C'est avec frais, frais de formation Bon, peut-être que ce qui va se poser, peut-être c'est surtout le moyen de déplacement parce que mm. ce pas des centres qui sont partout, c'est des mm. centres qui sont... Peut-être c'est surtout cet aspect qui va causer des problèmes, mais du point de vue euh, de la, de, la formation il n'y a pas de frais à payer. Ce matin, même avant de venir, j'étais euh, en contact avec le directeur régional de la formation professionnelle dans ce sens-là. Hmm. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau aussi, l'État peut apporter sa contribution pour, la formation. Hmm. Et en plus de ça, la direction aussi est en train d'élaborer un certain nombre de dossiers de projet. Euh, et dans ce dossier de projet, il y a cet aspect formation, en tout cas, qui est pris en compte. Hmm. Et surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités le euh, de capacités en matière de gestion, euh, en matière de vie associative aussi, sont en tout cas euh, pris, sont prises en compte mm. dans ce, dans ce domaine. Bien. Monsieur Sédou Maman, vice-président de l'Association des artisans handicapés pour la promotion de l'artisanat et de la formation professionnelle, où est-ce que vous vendez vos produits fabriqués Sur place, au marché ou dans les, dans les grandes foires Nous, maintenant, comme on a des ateliers, qu'on est en train de travailler. Si on a fabriqué les produits, c'est là-bas qu'on les expose. Il y a des gens qui viennent acheter. Mais s'il y a des expositions aussi, on, est membre de la fédération des artisans de la région du Niamey, on est membre, on est membre de la fédération nationale aussi des artisans. Mhm. On est membre. S'il y a des expositions, ils nous envoient des lettres, on prend des stands, on expose nos produits. Et quels sont vos, clients vos clients en majorité ah C'est les particuliers, c'est des ONG, c'est les services publics de l'État, c'est qui Bon, vraiment, on a des, il y a des ONG qui commandent des ballons, des chaises envers les handicapés. Mhm. Mais si on prend au niveau de l'État, vraiment, il n'y a pas les ministères, les direction de l'État ne n'achète pas de matériels au niveau des personnes handicapées. Cela, nous amène à rentrer de plein pied dans la deuxième partie de cette émission concernant les difficultés. Quelles sont aujourd'hui, à votre avis, les principales difficultés que vous rencontrez dans le processus de la confection, de la vente de vos différents produits Notre premier problème, c'est l'écoulement des produits pour les personnes handicapées. Mmh. C'est le grand problème qu'on a. Deuxième problème, c'est les structures de l'État. Hmm. Les services publics de l'État. qui hmm. n'achètent pas des produits au niveau des personnes handicapées. Qui n'achètent pas beaucoup ou qui n'achètent même pas Non, ils n'achètent même pas. Parce que, parce que ce n'est pas. de bonne qualité Non. Nous, ce que maintenant, je te dis qu'il y a des aveugles qui fabriquent des grillages. Il y a des commerçants que l'État leur donne des, marchés qui viennent vers les handicapés là pour acheter les grillages. Mais les commandes ne viennent pas directement, De, chez, ces personnes. Ça ne vient pas directement. Maintenant, on fabrique des ballons. Il y a des ministères qui achètent des ballons pour faire des cadeaux au niveau des écoles. Hmm. Mais ils, n'achètent pas ça au niveau des handicapés. Vous voyez hmm. Mais on a des ONG, des ambassades qui viennent acheter au niveau des handicapés. Et, lorsque vous, vous prenez part aux foires et aux grandes expositions, est-ce que est-ce qu'il y, y, y a, la clientèle Est-ce que vraiment vous arrivez dans ce genre de, de euh, Vraiment, si on part au niveau des expositions, il y a la clientèle. Comme il y a, nous, les produits qu'on fait, c'est les handicapés seulement qui font des fabrications de matériel sportif, euh, qui amènent des grillages au niveau des foires. C'est les personnes handicapées. Mhm. Alors, euh, oui. Mais il y a une seule autorité qui est une autorité municipale du mm. euh, 3 du troisième arrondissement, le DS actuel qui est au niveau de l'arrondissement communal Niamey 3. Qu'est-ce qu'il a fait Maintenant, justement, on est en train d'organiser une foire avec lui. Mm. C'est lui qui a eu l'initiative. D'organiser euh, une foire pour, les, personnes, handicapées, qui exercent ces métiers. Les métiers. Et on peut avoir une idée de la date, c'est pour quand Bon, maintenant, c'est hier qu'on avait amené l'arrêté, le comité d'organisation a été mis en place, c'est pas signé d'abord. Et vous pensez qu'avec cette, cette foire, peut-être que l'engouement voilà. vers les produits de voilà. lui-même, c'est ce qu'il pense, hum. le DES. est hum. Parce qu'il a vraiment, il va tout inviter les autorités, les députés nationaux, il va les inviter, les premières dames, les ambassadeurs, il va les inviter. Bien. Monsieur Farkas je vous redonne la parole. Et maintenant, là, vous pouvez aller tout droit sur la question liée, les difficultés liées à l'écoulement des produits des personnes handicapées. Bien, merci. Euh, tout à l'heure, je disais que la gestion de toute entreprise repose sur trois éléments fondamentaux. Mm. Euh, il faut avoir un produit. Mm il faut avoir un marché, c'est-à-dire une clientèle, hmm. et il faut avoir des moyens de mise en œuvre. Euh, en ce qui concerne les personnes handicapées, c'est vrai que il y a une persistance des préjugés sociaux par rapport à la qualité des produits fabriqués par les personnes handicapées. Ce qui fait que euh, beaucoup de gens hésitent par rapport à ça. Cependant, il y a 10, 15, 20 ans, euh, au niveau du ministère chargé de la tutelle des mm. personnes handicapées, mm. à chaque fois qu'il y avait un atelier ou un colloque, euh, vous savez, les ateliers sont sanctionnés par des cartables ou des sacs, là, des cadeaux. Mm. Et aux participants. Aux participants. Et surtout à certains invités. Eh ben, il y a une vingtaine d'années, on donnait le marché aux personnes handicapées pour justement confectionner ces sacs, ces, différents pour cadeaux la promotion. Et nous, ce qu'on disait, arrangez-vous, même si vous ne gagnez pas un franc, il faut que la qualité y soit. Pour convaincre. Pour convaincre. Parce que n'achète chez vous que celui qui a confiance en vous. Mm. Euh, et puis bon, pour des raisons diverses, euh, cette stratégie est partie, peut-être qu'elle va revenir. Peut-être qu'avec la foire euh, à laquelle M. Seydou a fait allusion, mm. Euh, cela pourra se faire. Mais ce que je peux leur donner comme conseil, si ce n'est pas encore euh, mis en place, il faudrait que les personnes handicapées se mettent à produire des articles qui seraient exposés à cette foire. Parce que si on, fait, on organise foire, une foire, il n'y a pas de produits étalé, euh, la foire n'aura pas servi à grand-chose. Oui. Ça veut dire qu'il faut déjà constituer des réserves. Absolument. D'articles. Euh, Absolument, parce que l'organisation d'une foire doit avoir plusieurs objectifs. Hmm. Premier objectif, c'est montrer que les personnes handicapées sont capables de produire. Hmm. Deuxième objectif, c'est vendre. Et montrer que c'est des produits de qualité. Voilà. Troisième objectif, c'est de faire connaître les structures qui ont produit. Comme ça, demain, si quelqu'un est intéressé, il saura où aller chercher. Et par rapport à ça, euh, on a mis près de 20 ans pour faire confectionner par euh, l'ONG française Handicap International un annuaire où il y avait les adresses de la centaine de coopératives, de groupements et d'ONG euh, basées à Niamey. Et aujourd'hui, ce manuel, où est-ce qu'on peut le consulter ben, Peut-être au niveau de handicap international, <laughs> il y en a encore, je ne sais pas, parce que ça fait 8-9 euh, ans que ça a été conçu. Ça veut dire que les organisateurs de la foire dont il avait fait allusion doivent aussi penser à cet aspect. Absolument. Euh, notamment avoir des contacts euh, qui vont être communiqués aujourd'hui. Parce que si vous voulez vendre un produit, il faut vous faire connaître. Si on ne sait pas qui vous êtes, ce que vous faites, où vous vous trouvez, Et qui va acheter chez vous. Et il y a, je crois aussi, un plaidoyer à faire. J'emprunte le mot de <laughs> mon frère Ahmad Adamou, un plaidoyer offert auprès des autorités, que ce soit les autorités parlementaires, que ce soit les autorités gouvernementales. Il faudrait que les artisans handicapés produisent un certain nombre d'échantillons amenés au niveau de l'Assemblée et du gouvernement pour dire voilà ce que nous fabriquons. Comme ça, le gouvernement, tout ministère qui va vouloir faire telle telle chose, on va dire que les structures de personnes handicapées peuvent faire ça. Mm. Au niveau de l'Assemblée, c'est pareil. Mm. Parce que si le gouvernement ne sait pas que les personnes handicapées font ça et que la qualité est là, comment on va acheter chez vous Voyez-vous Et maintenant, je dis encore une fois, il y a l'aspect formel et l'aspect informel et l'informel noie le formel, malheureusement. Euh, tout à l'heure, Amadou disait également ministère de la formation professionnelle. Ça veut dire que l'État a pris en main la formation professionnelle de la jeunesse. Il y a même une direction qu'on appelle DASC là-bas au niveau du ministère euh, chargé des enseignements techniques et professionnels qui accepte la formation des jeunes filles et des personnes handicapées. Et je crois qu'on peut mettre à contribution tous ces démembrements de l'État pour mettre en place, je ne sais pas quel type d'organe, qui de façon collégiale ou transversale va faire la promotion. Il y a un ministère qui est chargé de l'artisanat, qui est à l'immeuble Sony Bank là. Mais tout ça, je crois que plus Frani et Fnani, euh, auquel euh, Maman Seydou a fait allusion, la Fédération régionale et la Fédération nationale mm. euh, des artisans nigériens, mm. toutes ces structures doivent trouver un cadre. Une sorte de collaboration. Une, sorte de collaboration. Absolument. Bien. Ceux qui, j'arrive, ceux qui ont émergé mm. dans le domaine de l'artisanat, vous pouvez sûr que, être sûr que leur marché n'est pas local. C'est des gens qui ont des billets d'avion pour aller à des foires à Paris ou ailleurs. Directeur régional de la population, Amadou Adamou Garba, et on a entendu tout à l'heure euh, le président de l'association des artisans évoquer le fait que les services publics de l'État n'achètent jamais euh, les articles fabriqués par des personnes handicapées. Vous avez fait le constat. C'est vraiment un constat que euh, les gens, au niveau de l'administration, ne lancent pas de commandes auprès des personnes handicapées. Hum. Et je pense que euh, à ce niveau, nous, nous avons même euh, pris des initiatives dans ce sens-là. Lesquelles je, sais que euh, avec les deux gouverneurs qui sont venus, celui qui est parti et l'actuel gouverneur, nous avons eu quand même à nous déplacer avec la section de la Fédération nationale des personnes handicapées mhm. pour les rencontrer. Et nous sommes partis avec même des échantillons des produits fabriqués par les personnes handicapées. Euh, pour, demander à ces autorités-là, en tout cas, d'intercéder auprès de certains membres du gouvernement mm. et même de certains projets qui interviennent surtout dans la région de Niamey pour pouvoir lancer des commandes auprès euh, des personnes handicapées qui fabriquent en tout cas des produits qui n'ont rien à envier aux produits que les autres sont en train de fabriquer. Ils nous ont pris l'engagement de le faire. Le plus souvent, euh, quand l'administration lance des commandes, c'est des, commandes, euh, c'est des grandes quantités. Hmm. Et souvent, euh, il y a des personnes handicapées qui n'ont pas, en tout cas, cette la capacité, de production, hmm. pour pouvoir satisfaire ce besoin-là. Hmm. Et je pense que quand on avait rencontré le gouverneur, nous, étions partis avec même la craie que au niveau de l'Inal, la craie qu'ils sont en train de fabriquer, on était partis avec deux boîtes de crins fabriqués. Des crins fabriqués et des crins que nous, nous-mêmes, on a utilisés dans nos familles. On a vu que vraiment, c'est des, <laughs> des crins de bonne qualité. Et euh, le gouvernement nous a pris l'engagement de le faire. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, si le ministère de l'Éducation nationale nous demande euh, euh, une quantité de produits, une grande quantité de crins, nous n'avons pas cette capacité. Hmm. Et c'est de ce sens que nous avons essayé de réfléchir avec toujours les structures des personnes handicapées. Hmm. on a monté un dossier dans ce sens-là. Un dossier a été monté que nous avons transmis au ministère pour euh, payer une machine de grande capacité de, production de, de craie. Hum. Quand, on parle même des serpillers que les gens sont en train de fabriquer aussi, souvent, il y, a vraiment des structures qui peuvent demander une grande quantité. Hum. Mais la question que nous, devons nous poser, est-ce que les personnes handicapées ont la capacité, ont les moyens financiers, parce que quand on parle de production, il y a des ingrédients qui rentrent dans la production. Mm. Et parmi ces ingrédients, il y a les ressources, les ressources financières qui rentrent. Est-ce qu'ils ont ces, ressources financières Acheter la matière première, la transformer Vraiment, ce, dernier temps, nous avons mis vraiment l'accent dans l'élaboration de micro-projets, des mm. dossiers de projets pour chercher des financements. Mm. Et je pense que, euh, en tout cas, euh, à la où les choses vont, quand même, les choses s'annoncent très bien. Présentement, il y a un dossier que nous avons initié et qui a été travaillé par le ministère qui a, été transmis au niveau du, projet d'appui à la compétitivité de, l'économie et de la gestion financière, financée par la BAC, mm. qui a eu quand même un financement de, 35 millions. 35 mm. millions euh, pour l'autonomisation des femmes handicapées de la région de Niamey. Et ça, c'est disponible, l'argent. La seule chose qu'on attend maintenant, c'est qu'on a prévu de prendre un consultant qui va faire une étude, mm-hmm. une étude euh, de rentabilité de, mm. euh, par rapport, euh, de business plan par mm. rapport aux activités que ces personnes handicapées vont faire. Mm. Euh, Seydou Maman pour réaction. Vous avez entendu le directeur régional donner l'une des raisons qui font en sorte que, en tout cas qui fait en sorte que on ne fait pas appel beaucoup aux, aux produits des personnes handicapées, c'est que la capacité de production en grand nombre souvent fait défaut. Que dites-vous Bon, moi là ce que je veux dire, on n'a jamais eu vers l'État quelqu'un qui est venu commander. Si tu veux faire quelque il faut essayer de voir si on peut faire ou bien on ne peut pas faire. Est-ce que les personnes handicapées qui exercent ces métiers sont eh. prêtes à, élever ce genre de défis Je vais te donner un exemple. Au, temps de Tangier, chaque année, il y a un commande que je trouve au niveau de, la présidence hmm. qui fait plus de 5 millions. Hmm. Je fais des sacs Et si on m'a donné le bon de commande aussi, je livre ça. Je fais la livraison dans une semaine ou bien dans dix jours comme ça. Donc pour vous, ces problèmes ne se posent pas tellement ça, ne pose, cause pas de problème. Parce que déjà, nous, on sait qu'il y a beaucoup des handicapés qui font le travail des sacs. Si on dit la craie, là aussi, il y a beaucoup. Il y a les aveugles qui font ça. Mm. Beaucoup. Mm. Mais si on a eu la commande, on sait comment ce qu'on va faire pour faire la livraison. Pour, pour, pour réunir, voilà. le produit demandé. Mm. on ne va pas dire, ah euh, à, Farka seulement de venir faire. Bien. Le directeur veut ajouter un mot. je ne sais pas, vous avez fini et, eh, Je n'ai pas fini. Eh, je, je, prends, je veux dire quelque chose sur euh, la fabrication de la créla. Mm. Maintenant, l'Association nationale des artisans est en train de réfléchir, voir on a commencé même à faire des dossiers où on va trouver des machines au niveau de la région de Niamey, hmm. pour toutes les, les cinq communes de la région de Niamey. Et parce que est-ce que vous avez la garantie que de la commande de l'État Est-ce que vous avez la garantie que quand vous allez faire, euh, bon, la commande va venir La commande, maintenant ce qu'on a mis devant nous là, Inch'Allah, ça va venir. Bien, bien. Vous voulez ajouter quelque chose, M. le directeur régional Oui. Avant, oui. parce que qu'il faut le laisser parler. Bien sûr, bien sûr, c'est à lui en aller donner la parole. J'allais de moi, je ne dis pas de manière systématique, c'est dans, dans, dans, tous les produits que ce problème se pose. Mm. Quand vous prenez le grillage, par exemple, mm. quand vous prenez le produit cure, et peau, là, vraiment, il y a vraiment une capacité de production. Aujourd'hui, quand vous demandez à des structures de personnes handicapées par rapport à ça, comme il l'a dit, mm. il, y a, vraiment cette capacité. Mais il y a des domaines où ils ont besoin d'un soutien, d'un financement pour, pouvoir, euh, beaucoup produire et, pour pouvoir répondre aux, demandes. Mm. Quand on parle des demandes du ministère de l'Éducation, ce pas des petites demandes, hein, c'est vraiment de gros besoins. De gros besoins. Mais est-ce que, est que, quelque part, la solution ne serait pas d'avoir une sorte, une sorte de quota, même si on ne peut pas tout commander auprès de ces personnes, avoir une sorte de quota et commander une partie avec eux je suis parfaitement d'accord avec vous. On peut avoir aussi euh, cette possibilité, on peut l'envisager. on, peut l'envisager, mais je dis, mm. ces personnes ont besoin aussi d'un soutien financier pour pouvoir produire et produire de parce que parce qu'il faut pas toujours rester dans la même au, même degré au, même, niveau au même niveau de, production. Monsieur Farkas Mela. Oui. Qui, est... qui, oui, pouvez-vous merci. Euh, ajouter et quelle est votre réaction Oui, ma réaction, est autour toute, de ma réaction est toute simple. Hein. Euh, je peux dire que les deux ont raison ou bien chacun a raison. Hmm. Euh, au niveau, il y a 20-25 ans, l'Union nationale des aveugles du Niger avait souhaité avoir le monopole de la production de serpillères. Hmm. Nous avons même approché l'hôpital national de Niamey afin d'avoir euh, le monopole. Hmm. Mais nous n'avons pas été en capacité de produire, de, suffisamment. Euh, il nous est arrivé d'acheter des serpillères euh, au niveau de Paris, quoi, qui est devenu Score, là, mhm. pour compléter. Or, nous, nous vendions nos serpillères à 650 francs et Paris, quoi, les vendait à 1000 francs et l'hôpital ne les prenait pas à 1000 francs. Tout ça là pour dire, mhm. nous devons être réalistes. Mhm. Si nous voulons avoir un monopole, nous devons être capables de satisfaire à la demande. Et pour être capable, il faut avoir des moyens. Absolument. Et euh, je sais que l'exemple qu'on prend par rapport à la craie, c'est surtout par rapport au Mali. Au Mali, ils ont une grande unité de production de craie par les personnes handicapées. Ils ont obtenu le marché national de la craie. À telle enseigne que si l'Union nationale des aveugles du Mali n'arrive pas à produire suffisamment, elle était autorisée à importer le complément. Et lorsque cette question m'a été soumise, j'ai dit, est-ce que vous avez quantifié les besoins en craie au Niger, au Niger. J'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut commencer par là. Mais il faut commencer par là. Mm. Les besoins en craie, c'est combien de boîtes, c'est combien de tonnes Par rapport à ça, j'ai dit combien de craies vous pouvez produire par jour. Comment vous allez faire pour multiplier la production Au lieu que ce soit euh, une seule machine ou deux, peut-être qu'il faut aligner cinq machines. Donc tout ça là, en tout cas moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé les réponses appropriées. Hmm. On m'a dit qu'il y a des machines euh, en Chine et tout ça. Hmm. Mais j'ai dit, il y a un travail à faire. Il faut qu'on puisse importer les machines, il faut qu'on forme les gens, il faut qu'on voit la capacité de production, il faut qu'on voit les besoins ancrés au Niger pour prétendre au marché. Bien. Parce que sans quoi, ce n'est pas possible. Maintenant, même si comment on peut trancher pas produire, ces débats entre la capacité de production et, les commandes Mais il y a une étude de faisabilité à faire. Nous sommes, on parle d'entreprise là. Si vous voulez marcher, <laughs> eh ben, <laughs> il faut garantir le produit. Pour faire le produit, il faut avoir les moyens. Maintenant, je dis la chose, on peut commencer. Il faut d'abord que nous fassions connaître la qualité de nos produits au niveau des décideurs de ce pays, au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée. Maintenant, il faut qu'on forme des gens qui vont faire la production de qualité. Hmm. Il faut qu'on trouve le matériel. Euh, jusqu'à un passé récent, je crois que certaines formations étaient même assurées sur le Fonds national de soutien aux personnes handicapées. Mm. Mais avec des arguments à l'appui, ce volet peut encore euh, être remis sur la table. Bien. Mais il n'est pas dit que nécessairement, en 24 heures, qu'on satisfasse à ces attentes. Mm. Mais il faudrait que la dynamique soit lancée. Bien. Il y a cette question que je voudrais vous poser, M. Seydou Maman. Euh, vice-président des artisans euh, handicapés. est-ce qu'aujourd'hui les opérations de décurpissement qui sont en tout cas souvent organisées, est-ce que ces opérations ont eu des impacts sérieux sur, sur euh, les personnes handicapées qui exercent ces, différentes oh, activités Oui, oui, oui. oui, Ça On a fait un recensement, on a à peu près plus de 12 ateliers quand on est en train de faire les là hmm. il y a 12 ateliers. Qui ont été concernés Oui. Dans la ville de Niamey Dans la ville de Niamey. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces gens ont pu trouver d'autres ateliers ou bien euh, qu'est-ce qu'ils sont, sont, des villes sont devenues Il y a d'autres qui ont retourné chez eux, dans la devanture de leur euh, maison. Il y a d'autres aussi, ils sont toujours sous des arbres. Hmm. Si on prend un exemple au niveau de l'hôtel de poste, on a deux ateliers un atelier pour les hommes et un atelier de salon de coiffure hmm. pour les femmes. Qui a été déguerpi. Une réaction des deux, M. Euh, monsieur le directeur régional et FARCA par rapport au déguerpissement et leur impact et ce qu'on pourrait euh, attendre pour ces personnes donc, euh, moi, par rapport à ce que je veux dire en plus de ce qu'il a avancé, hmm. je sais que même à ce niveau-là, nous avons mené aussi des démarches avec la fédération, la section de la fédération. Nous hmm. avons vu le gouverneur dans ce sens-là. Euh, c'était l'autre gouverneur qui était parti, euh, M. Donc nous l'avons vu. Et il nous avait même fait des propositions hein, d'endroits où on pouvait euh, envisager la, réinstallation des personnes handicapées, puisque c'est un groupe spécifique, c'est un groupe qu'on ne peut pas traiter de la même manière que les autres groupes. Donc, en, tout cas, il nous a même donné un, un endroit, je ne veux pas un site, je ne veux pas. Euh, mais ce n'est pas encore opérationnel. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Et présentement, je vois que les gens sont en train de travailler sur ce site-là. Mhm. Peut-être qu'après euh, les travaux qu'ils sont en train de faire, ils vont envisager euh, la possibilité de placer les, kiosques au niveau de ce site-là. Oui, ma réaction par rapport à ça, c'est vrai, ça va être une réaction ambivalente. Mhm. ambivalente pourquoi il y a eu des insatisfaits qui ont pleuré et qui pleurent encore. Mhm. Euh, ce sont ces personnes qui ont été euh, déguerpies, comme on dit, et qui malheureusement, jusqu'à l'instant où je vous parle, n'ont pas trouvé où se localiser. Euh, de l'autre côté, comme on dit en français, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. la municipalité de Niamey a bien dit que c'est dans le cadre de l'embellissement de la ville et il est évident qu'à certains endroits, en tout cas où euh, des personnes ont été déguerpies, il y a eu des espaces verts. Euh, l'endroit est bien <laughs> aéré, euh, c'est joli, mais c'est que de l'autre côté, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Et c'est ça qui fait mal, parce que nous sommes conscients d'une chose, au moment où la municipalité donnait les espaces aux personnes handicapées, on leur a dit ne construisez pas un matériel définitif. ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Vous pouvez, un jour ou l'autre, être sollicité pour quitter. Mm. Mais c'est venu brutalement et ces gens avaient mis tous les moyens dont ils disposaient pour faire ça. Donc si euh, la municipalité ou la région peut encore réexaminer cette situation pour que, euh, parce qu'à un moment donné, euh, il a été dit que on va les mettre à un seul endroit. Mais géographiquement, pour des gens qui ont des problèmes de déplacement, ce, n'est pas, pas raisonnable. À votre avis, quelles sont aujourd'hui les mesures urgentes, les mesures à court terme et à moyen terme pour permettre en tout cas aux personnes handicapées d'être mieux formées et d'écouler facilement leurs produits. Je commence par Saïdou Maman, le, mm. président le vice-président de l'association des artisans handicapés. Sur l'écoulement des produits, mm. que nous souhaitons que... Vous avez une minute. Je souhaite que l'État euh, fait la commande auprès des personnes handicapées, mm. qu'elles soient au niveau national. Et je souhaite que aussi il euh, ont des appuis au niveau des régions pour les personnes handicapées qui font de l'artisanat. Monsieur le directeur régional de la population. Pour ce problème de, de, de, de, mévente ou bien de problème d'écoulement de produits, mm. je pense qu'il faut que nous mettons beaucoup l'accent encore sur la sensibilisation, sur la sensibilisation de la population pour la consommation des produits des personnes fabriqués par les personnes handicapées et des initiatives qu'on les foire aussi permet de valoriser euh, les produits fabriqués par les personnes handicapées. Et il y a le plaidoyer qu'il faut, il faut mettre beaucoup l'accent sur le plaidoyer auprès des autorités, auprès des ONG, auprès des projets, pour qu'ils puissent en tout cas euh, donner des commandes à, ces personnes handicapées. Monsieur Farkas Maïla. Bien, peut-être euh, pour ajouter, je dirais simplement que que ça soit qu'il s'agisse de la future foire qui sera organisée au niveau du troisième arrondissement ou d'autres activités, chaque fois que les autorités sont invitées, qu'il y ait une sensibilisation ou un plaidoyer ou même du lobbying qui soit fait pour que ces autorités comprennent que en venant, elles sont invitées à acheter. Si par exemple il y a un maire ou un ministre qui arrive, il achète, mais les directeurs qui sont autour là, ils vont acheter. Mais quand le mini, l'autorité suprême, n'achète pas, les autres vont se sentir gênés de poser un acte parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Donc il va falloir vraiment faire un plaidoyer dans ce sens euh, pour que euh, cela soit. Bien, et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les activités génératrices de revenus des personnes handicapées au Niger, importance, difficultés et perspectives. Euh, pour aider ces personnes, en tout cas qui ont choisi cette alternative de travailler au lieu de quémander, c'est la formation, c'est l'achat des produits et les commandes de l'État qui doivent venir. L'assistance à ces personnes pour participer aussi aux grandes rencontres, notamment aux grandes foires, l'une des solutions. Merci, nous étions en compagnie de M. Amadou Adamou Garba, directeur régional de la population, Seydou Maman, vice-président de l'Association des artisans handicapés pour la promotion de l'artisanat et la formation professionnelle, et Farka Soumaïla, personne de ressources, et j'insiste, et troisième vice-président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Présentation à la Sankouzi Amadou et à la technique Nico Senissa.